forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont relayés par 46 radios partenaires sur l'ensemble du territoire des programmes aussi disponibles sur notre site internet www Bienvenue dans ce forum, euh, l'émission qui répond aux questions que vous vous posez régulièrement. Ce soir, nous nous intéressons aux maladies liées au froid chez les enfants et les moyens de prévention. La période de froid au Niger, pays sahélien, commence en début novembre pour s'achever en fin mars. Cette période s'accompagne généralement par le vent et la poussière, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des nourrissons, les enfants et même les adultes. Alors, quelles sont ces maladies en ce moment de froid Comment se fait la prise en charge Quelles peuvent être les conséquences des maladies liées au froid chez les enfants Comment protéger les enfants contre le froid Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Maman Bachir Ali, infirmier en formation médicale. Bonsoir Maman Bachir. Bonsoir Madame. Hamza Jubo est membre de la plateforme des ICI, démocratie sanitaire et implication citoyenne. Bonsoir Hamza Jubo. Bonsoir madame. Merci donc euh, de répondre à notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation de ce forum. Quelles sont donc les maladies qu'on rencontre souvent pendant la période euh, de froid Mamana Bachir Ali, vous êtes euh, infirmier en formation médicale. Permettez-moi d'abord de remercier le studio Kalangu pour cet honneur que vous m'avez fait de participer à ce forum. Et comme vous l'avez annoncé, la période hivernale qui est celle du froid dans nos pays sahéliens n'est pas sans conséquence sur la population, surtout sur le plan sanitaire, mhm. dont elle vient avec euh, plusieurs types de pathologies, mhm. surtout chez les enfants, mhm. dont entre autres on peut citer les maladies qui sont en relation directe avec cette période, et qui sont entre autres, il y a les maladies allergiques, il y a les simples rhumes les grippes et les maladies bronchites, les bronchopneumopathies, jusqu'aux pneumonies. Mhm. Et à d'autres pathologies aussi qui sont aggravées mhm. et par cette situation. Notamment, on a les otites, les maladies des oreilles. Il y a aussi d'autres viroses qui sont la rougeole, la coqueluche, qu'on retrouve plus fréquemment à cette période. Il y a aussi les drépanocytaires aussi qui en souffrent. Mhm en cette euh, période. Il y a mhm. plein d'autres, en tout cas, pathologies, mais l'essentiel, en tout cas, des maladies plus fréquentes chez les enfants à en cette période, ce sont ces maladies citées, ci-dessus. Mhm. Et pourquoi le froid favorise ces maladies chez les enfants Tantôt, les maladies citées ci haut, c'est surtout les maladies liées aux voies respiratoires. Et en cette période de froid, il y a d'abord l'air qui est sec, Mhm. qui n'est pas humide, mhm. qu'on respire. Il y a aussi les basses températures. Donc, euh, ces deux mécanismes liés entre eux, quand on respire, ils affaiblissent nos muqueuses respiratoires. Mhm. Donc, euh, les, les voies respiratoires, la bouche, les nez jusqu'aux poumons. Il y a des muqueuses qui tapissent ces voies-là, dont on appelle les muqueuses des voies respiratoires. En tout cas, l'air sec associé à la basse température, ils affaiblissent ces muqueuses-là. Ces muqueuses-là, quel sont leurs rôles mhm. Leur rôle, c'est de protéger nos voies respiratoires et nos poumons contre les agressions extérieures. Maintenant, s'ils sont affaiblis, en tout cas les micro-organismes, surtout les virus, trouvent les terrains favorables, en tout cas ceux qui favorisent la propagation de ces maladies. Ça, c'est un premier facteur. Oui. Encore le deuxième facteur, mhm. en cette période de froid, l'être humain est obligé de vivre, en tout cas, si on peut le dire, enveloppé, mhm. et enfermé, quoi, mhm. dans des salles vraiment où l'air ne circule pas beaucoup pour un peu éviter d'attraper froid. Cette cohabitation de la population dans un endroit restreint aussi favorise la propagation des maladies liées au froid. Parce que il y a un contact étroit entre les êtres humains et qui favorise en tout cas la contamination hmm. et la contagion. Mais est-ce que ces maladies sont contagieuses Évidemment, la plupart de ces maladies, pour ne pas dire la totalité des maladies liées hmm. au froid, sont extrêmement contagieuses, hmm. extrêmement contagieuses. Parce que c'est des maladies liées aux voies respiratoires. C'est dans l'air qu'on respire, les germes qui provoquent ces maladies circulent. Donc, d'où l'importance de la contagion de ces pathologies. Maman Ali, quand est-ce que peut-on savoir que son enfant a, par exemple, la bronchite ou la pneumonie Et la bronchite ou la pneumonie, c'est des maladies qui sont à un stade beaucoup plus avancé, des maladies causées par l'exposition au froid. Parce que c'est différentes étapes. D'abord, au début, l'enfant ne va pas développer directement la bronchite ou la pneumonie. Au début, il va commencer par le, simple rhume, la grippe. Mhm ça va aller beaucoup plus loin. Mhm. Et le rhume, les différents symptômes du rhume, c'est surtout le nez bouché, euh, la petite fièvre. Maintenant, plus ça va progresser, ça va atteindre les bronches. Mhm. C'est là où on va parler de bronchite. Donc, la bronchite, ce n'est rien d'autre que l'inflammation des bronches. C'est l'infection des bronches qui constitue la bronchite. Maintenant, là, l'enfant va commencer à avoir des écoulements nasales, mhm. ce qu'on appelle les rhinorrhées. Il va avoir des, il commencer à avoir des difficultés respiratoires. Maintenant, de la bronchite, ça va progresser, ça va atteindre le poumon. Maintenant, si ça atteint les poumons, c'est là où on parle de pneumonie. Mhm. Et là, c'est encore beaucoup plus grave que la bronchite. Parce que là, la difficulté respiratoire va s'aggraver et l'enfant va commencer à tousser. Les écoulements vont s'aggraver. Il y a la fièvre qui est là parce que c'est une infection. En plus de la fièvre, il y a les difficultés respiratoires, comme je le disais tantôt, qui vont s'aggraver. Il y a certains signes qu'on appelle les signes de danger. S'il n'y a pas une prise en charge précoce, ils vont s'ajouter. Il y a ce qu'on appelle le stridor chez un enfant calme. En tout cas, c'est un bruit. Donc ça, c'est beaucoup plus pour les techniciens. Il y a aussi la respiration qui va être rapide parce que l'enfant sera obligé de respirer rapidement pour compenser eh, le déficit respiratoire. Il y a aussi ce qu'on appelle le tirage sous costal, ça aussi c'est un signe beaucoup plus technique. <laughs> Alors Maman Mbachir, qu'est-ce qu'il faut faire dès l'apparition des premiers signes d'un simple rhume avant que ça n'arrive à la bronchite ou euh, à la pneumonie En tout cas, dans toute situation, si on a un enfant malade, c'est de faire recours à un spécialiste, un agent de santé qui va suivre cet enfant. Parce que les enfants, ils sont beaucoup plus fragiles. Mhm. Ce n'est pas comme pour les adultes. Un adulte peut traîner son petit rhume et guérir facilement. Mais pour un enfant dont la défense immunitaire n'est pas complètement très développée, il court un grave danger. En tout cas, du petit rhume, ça peut aller jusqu'au stade de pneumonie, d'où l'intérêt de consulter rapidement la structure de santé la plus proche. Merci euh, Maman Bachir. Hamza vous êtes membre de la plateforme DICI, démocratie sanitaire et implication citoyenne. Avez-vous fait déjà un constat dans les centres euh, sanitaires Oui, effectivement, euh, comme d'habitude, mhm. la plateforme des c'est une plateforme de veille communautaire et une plateforme aussi de suivi des politiques de santé au niveau du ministère de la Santé publique. Donc c'est une organisation de la société civile qui fait la veille communautaire. Donc en cette période euh, de maladies liées effectivement à la saison froide, euh, nous avons effectivement constaté au mhm. niveau des centres de santé des enfants mhm. surtout euh, des enfants, surtout les nouveaux nés mhm. qui sont en tout cas affectés par ces maladies qu'ils viennent de citer. Donc ça, c'est un premier constat. L'autre constat aussi, c'est qu'au niveau des écoles, on enregistre en tout cas deux cas euh, de ce type de maladie. Parfois, l'enfant quitte chez lui en bonne santé, mais c'est arrivé à l'école, mhm. euh, on déclare aux parents de l'élève que voilà, un tel enfant, il a tel ou tel signe. Mhm. Donc ça, c'est vraiment le constat que nous avons fait sur, mhm. euh, sur le terrain. Voilà. Et comment trouvez-vous l'affluence dans les centres de santé en cette Oui, bien évidemment, bien évidemment, comme vous le savez, c'est mm. la période comme on l'a dit, c'est la période des pics par rapport à ces maladies qu'il vient de, citer, qui sont euh, généralement des maladies hypothermiques et aussi des maladies euh, qui sont liées aux infections respiratoires. Donc c'est tout à fait logique qu'on constate une influence euh, en tout cas de ces enfants mhm. et des personnes âgées au niveau des centres de santé. Mhm. Voilà. Quelles ont été vos contributions Vous êtes euh, membre d'une structure qui œuvre dans le domaine de la santé. Quelle est donc euh, la contribution de des ici euh? Est-ce que vous avez pensé à ces familles vulnérables en les accompagnant Exactement, exactement. Mhm. Et au niveau de la plateforme des ici, comme je le disais, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs associations, plusieurs ONG qui œuvrent qui sont actives, j'allais dire, dans le cadre de la santé. Donc, nos contributions, c'est principalement sur deux volets. Il y a le volet communication, conseil et sensibilisation, mhm. et il y a le volet appui aussi aux populations vulnérables. Alors, sur le volet conseil et communication, mhm. euh, nous avons, euh, en tout cas, plusieurs de nos ONG membres ont des programmes euh, de renforcement des capacités euh, par exemple, de groupements féminins, mm renforcement des capacités, en fait, des mères et tutrices d'enfants au niveau des centres de santé, ou aussi des renforcement des capacités à travers les autres structures organisées des femmes. Alors, les principaux messages que nous livrons au niveau de ces, de ces femmes et de ces mères et tutrices d'enfants, surtout euh, le, premier conseil, mhm. surtout on les sensibilise pour éviter les bains fréquents pour les nouveau-nés. Parce qu'en période de froid, effectivement, plus on est en contact avec l'eau, mhm. plus en fait, on sent le froid et plus on expose les nouveau-nés au risque de ces maladies. Nous leur donnons aussi des conseils par rapport à l'habillement même de ces enfants. C'est-à-dire le fait d'habiller les enfants avec les habits chauds pendant le matin, parce qu'on sait que le matin, euh, là peut-être c'est le médecin qui doit les dire, mais le matin, c'est qu'on sait que le métabolisme est très faible. Donc le corps humain ne résiste pas au froid. Donc, or, l'enfant aussi, son système immunitaire n'est pas comme un système immunitaire pour l'adulte. Donc, il faut l'aider, il faut l'aider à faire face à ce froid et donc il faut vraiment le, protéger avec des habits chauds. Et l'autre conseil aussi que nous donnons, c'est de ne pas laisser vraiment ces enfants s'exposer au, froid et à la poussière. Parce que de temps en temps, vous allez voir dans le quartier, de très beaux matins, vous ressortez, vous allez voir des enfants qui sont exposés au froid parfois même qui jouent au football, mhm. et des enfants vraiment, parfois de leur âge et, et, même parfois, mhm. hein, entre, en tout cas moins de 10 ans, vous mhm. allez les voir en train de jouer au football. Et aussi, d'autres conseils qu'on donne, c'est vraiment, pour ça, c'est surtout pour les personnes âgées et les adultes même, c'est de faire des activités et des mouvements. Parce qu'en en période de froid, on a tendance à se recroquer sur nous-mêmes. C'est-à-dire mhm. qu'on a tendance à ne pas faire des mouvements, on a mhm. tendance à ne pas faire des activités. Or, plus on fait des activités, plus on fait des mouvements, on favorise le métabolisme et donc ça permet à la personne de pouvoir faire face au froid. Nous attirons aussi l'attention des enseignants surtout euh, à l'école pour mhm. ne pas laisser les enfants s'exposer au froid et à la poussière, surtout pendant les récréations et aussi euh, le conseil qu'on donne à toute la communauté c'est vraiment de se référer au centre de santé dès mhm. qu'il y a apparition d'une des symptômes ou d'un des symptômes, mhm. j'allais dire, de ces, de ces maladies qui sont liées au froid. Donc voilà en termes de conseils. Maintenant, en termes d'appui, beaucoup de nos structures aussi apportent des appuis aux familles vulnérables, notamment des appuis en couverture, des appuis aussi avec des habits, en fait, euh, pour euh, le froid, notamment les bonnets, les, les habits pour le mhm. froid, les chaussettes et autres, et aussi des appuis aussi en ration alimentaire. Parce que plus aussi, si on n'est pas suffisamment alimenté, on est aussi exposé à, ces, à ces, risques de, ces maladies. Mhm. Voilà en gros ce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, mhm. ce que nous faisons pour accompagner l'État pour faire face à ces maladies euh, liées au, froid. Voilà, merci. Il y a eu des résultats satisfaisants Oui, en termes de résultats, nous pouvons dire oui. Parce que là, euh, il y a beaucoup de structures qui font cette activité et les zones dans lesquelles ces structures-là interviennent, nous constatons par exemple il y a plus d'affluence euh, au niveau des centres de santé. Mhm. Et donc ça c'est un, ça c'est mhm. vraiment un résultat. L'autre résultat aussi, c'est qu'au niveau aussi des établissements où les structures-là interviennent, en tout cas, on a plus euh, euh, de contrôle sur les enfants notamment au niveau de la petite enfance et les petites classes au niveau des classes de CICP jusqu'à CE1. Donc on a plus de contrôle, les enseignants sont euh, et les enseignantes sont conscientisés et vraiment ils, ils cherchent, en tout cas ils essaient euh, de ne pas pouvoir exposer ces enfants-là. Donc en termes de résultats aussi, nous pouvons dire que ces familles-là qui ont été euh, accompagnées, en tout cas, on les met dans les dispositions de pouvoir faire face à cette période de mhm. froid, notamment en termes de couverture, en termes de dispositifs aussi de protection de ces enfants, et mais aussi en termes de rations alimentaires. Mhm. Voilà en tout cas en termes de résultats ce que je peux dire déjà. Euh, nous n'avons pas fait un bilan quantitatif au niveau de la plateforme des ICI mais comme on l'a fait avec les autres maladies telles que le paludisme et mhm. autres, à la fin de cette période aussi, nous aurons à faire un bilan qu'on aura en tout cas au moment opportun euh, de partager avec euh, l'opinion publique. Mhm. voilà, merci. Maman Bachir, tout à euh, l'heure, Hamza Jubo parlait donc au niveau communautaire des enfants qui peut-être qui errent dans la rue sans vêtements, sans couverture, sans habits froids. Quel risque cours donc ces enfants voilà, et comme je l'ai dit mhm. mm, un peu plus haut, et la période de froid, il y a des microbes, il y a des micro-organismes mhm. qui prolifèrent beaucoup plus vite et en période de basse température. Et maintenant, l'organisme aussi, quand les, les températures sont basses, l'organisme a du mal en tout cas, les, les réactions chimiques même sont lentes au sein de l'organisme. C'est mhm. quand il fait chaud que les réactions chimiques sont beaucoup plus accélérées. Mhm. Maintenant, et pour les enfants aussi, une particularité, ils ont un système immunitaire qui n'est pas beaucoup plus développé mhm. que le système immunitaire de l'adulte. Maintenant, et si on prend le cas de ces enfants-là qui errent dans les rues, surtout, comme elle l'avait souligné, au niveau communautaire. Mhm. Ces enfants qui errent sans protection, en tout cas contre le froid, ils courent beaucoup plus de risques de contagion, de contamination des maladies liées au froid. Mhm. D'où vraiment l'intérêt, l'intérêt de porter des habits qui peuvent protéger contre le froid. Mhm. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, au mieux, au mieux, c'est d'encadrer ces enfants-là, de ne pas laisser à eux-mêmes dans les rues. La meilleure protection, en tout cas, c'est de suivre ces enfants-là, de ne pas laisser à leur sort. Merci, Maman Bachir. Nous entamons à présent la deuxième partie du forum consacrée à la prise en charge donc, des malades. Maman Bachir, infirmier en formation médicale, quelles sont les conséquences des maladies liées au froid chez les enfants Toute maladie n'est pas sans conséquence mhm. chez un organisme. Ces maladies, si vous, comme il l'a dit, si vous constatez dans nos formations sanitaires, en cette période hivernale, on a un pic en tout cas des maladies liées au froid qui sont les infections respiratoires. Mm-hmm. Des infections, les infections respiratoires aiguës mm-hmm. qui sont les rhumes et autres, mm-hmm. aux infections respiratoires sévères. Et ces infections ne sont pas sans conséquences, surtout chez les enfants qui sont beaucoup plus fragiles. Et quelles sont ces infections respiratoires sévères Les sévères, mm. c'est surtout les bronchites, les pneumonies. Ce sont ceux-là qu'on appelle les les infections sévères, mhm. parce qu'ils sont beaucoup plus graves que ceux cités plus haut. Maintenant, les conséquences, d'abord, il y a les conséquences directes, en tout cas liées à l'enfant qui est malade, parce que l'enfant est souffrant. Si l'enfant est souffrant, maintenant ça va contaminer la famille, parce que la mère ne sera pas tranquille, le père ne sera pas tranquille. En tout cas, toute la famille est malade. Et au-delà de la famille, c'est la société même. Mhm. Donc, euh, il y a des conséquences à divers niveaux de la communauté. Maintenant, en dehors des conséquences euh, médicales sur l'organisme de l'enfant, il y a aussi le risque d'aggravation d'autres maladies. Parce que une fois que l'organisme de l'enfant est encore beaucoup plus fragilisé par ces maladies liées au froid, il y a d'autres maladies qui vont trouver le terrain opportun, en tout cas pour venir s'ajouter à, l'état de santé de l'enfant pour encore aggraver davantage son cas, sa mm. situation. Notamment, on a les maladies drépanocytaires, il y a la malnutrition aussi, mm-hmm. la rougeole, la coqueluche, toutes ces maladies-là peuvent trouver le terrain favorable, en tout cas, pour s'ajouter à la situation de l'enfant. Hamza Jibo, quelles autres conséquences les maladies liées au froid euh, donc, euh, peuvent euh, engendrer Effectivement, effectivement le, les, la santé, mhm. donc il a plus parlé des conséquences sur le plan sanitaire. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, au-delà des conséquences sur le plan sanitaire, nous voyons d'autres conséquences mhm. sur le plan économique, euh, mhm. sur le plan même euh, social. Euh, voilà, donc je peux dire par rapport sur le plan économique, et on sait que si un enfant tombe malade au niveau du foyer, au niveau du ménage, c'est le ménage qui prend en charge, en tout cas, euh, le traitement euh, de la maladie, quelle qu'en soit la maladie, et bien que la tranche d'âge de 0 à 5 ans, le traitement c'est gratuit, mais c'est un débat aussi de ce côté-là. voilà. Donc euh, <laughs> là, c'est les conséquences économiques. Ça veut mhm. dire que dès qu'il y a un membre de la famille dans un ménage qui tombe malade, c'est que ça aura des conséquences économiques sur la famille. Mhm. Ça, c'est clair. Le par rapport aux conséquences sociales, bon, économique aussi, je peux ajouter, c'est que qu'en réalité, aujourd'hui, la réalité de notre pays, c'est que si un enfant est malade, sa maman l'est aussi. Si elle travaille, elle ne se présente pas au boulot. Ça, c'est des pertes mhm. euh, sur le plan économique que le pays fait. Mhm. Et si aussi un enfant est malade, c'est qu'en réalité, le papa même en fait, il n'est pas tranquille, mhm. même au bureau. Donc, il n'est pas productif. Donc, tout ça, c'est des conséquences sur le plan économique. Sur le plan social, euh, aujourd'hui, euh, si vous voyez, par exemple, même sur le plan de l'éducation, un enfant qui tombe malade à cette période, vous savez que maintenant, nous sommes dans la partie la plus importante sur le plan éducation. Mhm. c'est vraiment le, deuxième trimestre, et de l'année où en tout cas les programmes sont abordés avec plus de rigueur et de les compétences euh, par rapport au niveau des enfants sont plus euh, accélérés à ces moments précis. Donc si un enfant s'absente deux, trois jours, voire une semaine, c'est une perte. Il perd son niveau, il n'arrive plus à suivre, il n'arrive plus à rattraper ses élèves et ça a des effets sur sa scolarité. Donc ça, c'est des conséquences aussi euh, qu'on a au niveau, en tout cas, social. Au niveau social aussi, si vous avez un enfant qui tombe malade, même au niveau même de ses camarades de classe, il se sent gêné. Il se sent gêné pourquoi Parce que non seulement il va s'absenter, mais aussi du fait de son absence, les autres comprendront qu'il est malade. Mhm. Donc voilà, il se cause beaucoup de questions, mais pourquoi il est malade mhm. Donc vous voyez, il y a beaucoup de conséquences à ce niveau. Mhm. Donc c'est vraiment euh, ces conséquences-là que je voudrais ajouter au-delà des conséquences euh, sur le plan euh, sanitaire. Voilà, merci. Merci. Certaines personnes utilisent du charbon ou du bois en cette période de froid pour réchauffer euh, les chambres. Quelles conséquences pour la santé des enfants En période de froid, en tout cas, le conseil qu'il faut donner, c'est vrai, c'est d'être dans un endroit chaud. Dans un endroit chaud, mais pas chaud circonscrit. Mhm. Il faut que ça soit aéré. Mhm. Parce que si on est dans un endroit clos et que l'air n'entre pas aussi, ce n'est pas sans conséquence. Mhm. Parce que déjà, le feu qu'on a mis dans la chambre consomme de l'oxygène aussi. Et ça dégage le dioxyde de mhm. carbone. Nous aussi, en respirant, on consomme, c'est l'oxygène qu'on consomme. Mhm. Et pour dégager le CO2. Le CO2. Donc s'il y a une forte concentration de 2 il va de soi qu'il y ait moins d'oxygène. Et lorsqu'on respire une quantité moindre d'oxygène, ce n'est pas sans conséquence sur l'organisme. Mhm. ça peut aller des petites conséquences. D'abord, le premier appareil à, souffrir, le premier organe à souffrir, c'est le cerveau. Mhm. C'est le cerveau qui va souffrir pour le manque d'oxygène. Mhm, Ensuite, ça va suivre surtout le, le, reste des organes du corps. Donc, c'est bien de réchauffer mais il faut penser surtout à aérer aussi mhm. les, les, chambres. Comment se fait la prise en charge donc, de ces maladies Voilà, la prise en charge des maladies liées au froid, qui sont les maladies respiratoires, ça s'est fait comme la prise en charge de toute autre maladie mhm. au niveau des services de santé. Par exemple, si on prend le, un centre de santé, n'importe lequel, dès qu'on vient, il y a le service d'accueil et, et, orientation. Donc, c'est mhm. ces services d'accueil et orientation qui va orienter la personne qui fréquente vers là où il devrait être pris en charge. Il y a aussi le service des guillages. Là, le service des guillages, lui, il est chargé du tri. Donc, il va trier, dire tel ou tel patient, mm est plus souffrant que tel ou tel patient. Mhm. C'est parce que c'est ça l'importance du tri. C'est de voir qui a besoin de soins beaucoup plus urgents qu'un autre. Mhm. Alors, on sait très bien que les maladies respiratoires sont des maladies, en tout cas, qui mettent rapidement les pronostic vital en jeu, d'où l'intérêt, en tout cas, de les prendre en charge rapidement au niveau des centres de santé. En tout cas, dans n'importe quel service de santé, il y a un dispositif qui est là, en tout cas pour orienter un patient vers là où il doit être pris en charge. Et mieux encore, pour les enfants, il y a même des, des, formations qui sont en train d'être faites à mhm. l'endroit des agents de santé. Mhm surtout dans le cadre de la prise en charge des maladies de l'enfant, mhm. la PSIM, les, trucs de, triage, tri, évaluation et traitement des urgences mhm. au niveau des centres de santé. Et surtout, ce qu'il faut aussi souligner, que la prise en charge pour les enfants de 0 à 5 ans bien que l'acteur de la société civile a dit que oui, ça une question posée. Est-elle gratuite cette prise en charge Est-elle gratuite Selon le gouvernement, elle est gratuite au niveau des centres de santé. Voilà. Maintenant, sur le plan pratique, ce qui se passe réellement sur le terrain, mhm. ça aussi, c'est une grosse question à poser. Mhm. Oui. Parce que quand on dit prise en charge gratuite, ça veut dire que le patient devrait être pris en charge dès son admission jusqu'à mhm. sa guérison. C'est ça la prise en charge. Pas prendre en charge certains aspects et laisser <laughs> d'autres aspects. Voilà. Hamza Jibo, que pensez-vous de la prise en charge euh, de, ces malades, surtout les enfants Ok, donc euh, effectivement, euh, comme je l'ai dit, en tant qu'acteur de la société civile, nous avons un œil sur ce qui se passe au niveau des services de santé, publics comme privés d'ailleurs, puisque nous, c'est la santé de la population d'abord, et nous, c'est surtout aussi la veille communautaire. Mhm. Et donc, nous, nous estimons que cette prise en charge, mhm. elle s'est faite tant bien que mal. Pourquoi je l'ai dit Parce que qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, les capacités d'abord d'accueil de nos centres de santé, en tout cas, il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus. Ça, c'est un. Mhm. La disponibilité des entrants pour prendre en charge ces cas de maladies respiratoires liées au froid, mhm. ça aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus et le dispositif même de la gratuité des soins. Parce que nous venons tout récemment de, de, conduire une enquête au niveau de la ville de Niamey euh, avec un échantillon de centres de santé mhm. pour évaluer le dispositif de prise en charge euh, gratuite euh, par rapport donc aux enfants de 0 à 5 ans. Mhm. Et on sait que dans la plupart des cas, les enfants de 0 à 5 ans la sont le plus à risque mhm. par rapport à ces maladies respiratoires. Mhm. Donc c'est un dispositif que nous sommes en train de regarder, mhm. nous sommes en train de veiller et nous sommes en train aussi de, de, faire en sorte que, en tout cas, ce que le gouvernement a dit, que ce qu'il a dit, il a pris l'engagement, c'est une politique nationale, qu'on puisse mettre en, place tous les dispositifs nécessaires pour que cela soit fait. Voilà. Donc, euh, Hamza Jubo, que faut-il faire pour améliorer la prise en charge euh, de ces malades donc, euh, c'est très simple. bon, mhm. enfin, quand je dis c'est très simple, peut-être j'ai simplement simplifié les choses. Mais nous estimons que euh, l'État d'abord mhm. doit prendre les dispositions nécessaires mhm. pour que les intrants, par rapport à la prise en charge de ces maladies-là, puissent être disponibles au niveau des centres de santé intégrés, surtout. Parce que c'est au niveau périphérique, nous savons que en ville, c'est vrai, ces maladies-là existent mais elles sont plus euh, aiguës, elles sont plus fréquentes en mhm. milieu rural. Mhm. Et en milieu rural, les centres de prise en charge, c'est surtout les CSI, mhm. les centres de santé intégrés. Donc vraiment, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les intrants là puissent être disponibles au niveau donc de ces centres de santé. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est que l'État aussi doit intensifier les communications autour de ces maladies, en tout cas en période de, de, froid. Mhm. C'est vrai que actuellement, nous savons que la maladie à coronavirus, la COVID-19, a phagocyté tout, mais nous, nous estimons qu'il ne faut pas oublier, en mhm. tout cas, les autres maladies mhm. qui parfois font plus de dégâts que la COVID-19 même. C'est vrai que c'est une nouvelle maladie pour laquelle le monde entier fait face, mais les maladies que nous avons l'habitude de rencontrer dans nos pays au Sahel, donc nous devrons tenir compte malgré le contexte de la COVID-19. L'autre aspect aussi, c'est qu'au-delà des communications, il faut aussi que, euh, au niveau des centres de santé, que les agents de santé aussi soient plus accueillants mhm. avec nos mamans qui se présentent avec des enfants malades. Mhm. Et nous avons euh, eu beaucoup de témoignages. Nous avons même vécu des cas mhm. où vraiment euh, les services d'accueil au niveau des centres de santé et vraiment parfois et quand même j'allais dire même euh, le service d'accueil même ça décourage même les mamans mhm. à, fréquenter les centres de santé. Parfois vous allez voir des agents de santé qui crient mhm. sur ces mamans, qui humilient parfois ces mamans-là. Alors qu'une maman qui déjà son enfant est malade, vous voyez déjà elle, son objectif premier, c'est que son enfant puisse mhm. bénéficier des soins. Donc si elle vient et qu'elle trouve autre chose, vous voyez que ça, que ça fait, et ça peut même avoir des répercussions sur les autres mamans. Mhm. Parce que quand elle va revenir, elle va dire que non, non, quand j'ai été au niveau des centres de santé, un tel là, voilà ce qu'il me, fait. Et nous, on a même eu des cas où on voit des, les populations qui demandent l'affectation des agents de mhm. santé. Tout simplement parce que ces agents de santé là ne se comportent pas mhm. de manière vraiment professionnelle euh, vis-à-vis de la communauté. Donc à l'État aussi, en tout cas, nous, nous leur demandons de faire tout pour que, en tout cas, euh, les dispositions par rapport aux intrants, je l'ai dit déjà, mhm. par rapport donc à la sensibilisation mhm. de ces agents de santé-là, pour qu'ils soient vraiment plus accueillants, pour qu'ils jouent leur rôle, pour qu'ils soient plus professionnels, mhm. pour que l'accueil, en tout cas au niveau de ces centres de santé, soit améliorer. Donc voilà, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs de la société civile, ce que nous pensons et ce que nous faisons aussi mhm. sur le terrain et aussi à toutes les occasions qui se présentent, mhm. quand on rencontre les responsables de la santé, nous essayons en tout cas de leur passer ces messages-là. Mhm. Merci. Maman Bachir Oui, madame. La kinéthérapie est souvent pratiquée dans le traitement de certaines de ces maladies chez les enfants. À quoi consiste la kinéthérapie Non, la kinéthérapie c'est un moyen de prise en charge pour les pathologies respiratoires, mhm. mais ça mais c'est dans les cas graves, c'est surtout dans les cas graves. Donc euh, la kinésithérapie, c'est beaucoup plus spécialisé, en tout cas parce qu'il faut un niveau de soins beaucoup plus élevé, mhm. un, hôpital de référence, en tout cas de niveau 3, mhm. pour euh, faire la kinésithérapie. Parce que actuellement, même nos districts sanitaires, ce ne sont pas toutes des districts sanitaires qui en disposent des kinésithérapeutes, en tout cas dans le cadre de la prise en charge. Ça consiste surtout à l'administration des soins et au massage, parce qu'il y a différents types de massages aussi, pour la réanimation pulmonaire. Il y a aussi différentes positions qu'il faut adapter. Il y a aussi des produits qu'il faut administrer, en tout cas surtout pour la décongestion, et euh, la décongestion des voies respiratoires. Mhm. En gros, c'est à ça que consiste cette kinésithérapie. Et à quel stade de la maladie est-elle nécessaire C'est à un stade beaucoup plus avancé, quand ça mm-hmm. atteint le niveau euh, des poumons. Mm-hmm. C'est surtout dans les pneumonies qu'il faille faire euh, la, kinésithérapie. Les pneumonies aussi, les pneumonies graves. Mm-hmm. Parce que même les pneumonies, ils sont classés. Il y a pneumonie simple, il y a pneumonie grave aussi. Donc c'est au stade de gravation qu'il faille utiliser et la kinésithérapie. Le traitement traditionnel euh, est-il recommandé Il y a certains parents qui, utilisent euh, <laughs> les médicaments ah, traditionnels. Je suis, je suis, du corps médical. Oui. Tout ce que je peux conseiller, c'est dès l'apparition des symptômes des maladies respiratoires, de faire recours au service de santé. Mhm. Parce que l'appareil respiratoire est capital mhm. pour la survie. Hein. Mhm. Le premier élément dont l'organisme a besoin, c'est l'oxygène. Qu'est-ce qui mhm. apporte l'oxygène dans l'organisme Ce sont nos poumons. Mhm. Donc, s'il y a une défaillance respiratoire, rapidement, il faut consulter. Mhm. C'est le conseil que je vais donner. <laughs> nous, les mamans, nous utilisons d'habitude euh, le beurre de karité pour euh, masser la poitrine euh, des enfants. Ça, c'est un traitement traditionnel. Au-delà mm. du beurre de karité, moi, mm. je connais plusieurs, en tout cas, méthodes traditionnelles, parce que je viens aussi du milieu rural. Mhm. Au-delà du verre de, de, de karité, il y a et ceux qui utilisent aussi le miel, il y a ceux qui utilisent aussi le beurre. Mhm. Il y en a aussi qui utilisent des euh, plantes mhm. locales, en tout cas dans le cadre de la prise en charge. C'est vrai, certains de ces méthodes-là sont reconnues même au milieu médical, mhm. comme étant des remèdes. Par exemple, l'utilisation du, du miel. Oui. Ça, c'est reconnu même au milieu médical, ça mhm. peut calmer la toux. Mhm. Mais comme son nom l'indique, calmer la toux. Donc ça ne traite pas. C'est juste pour calmer. Donc le mieux à faire, en tout cas, même si ça a calmé, ce n'est pas de trop de consulter, en tout cas pour avoir une prise en charge complète par un spécialiste. Hamza Jubo, que pensez-vous donc euh, euh, du traitement traditionnel des maladies liées au froid Ok, merci bien. Euh, je pense bien que c'est une question assez sensible. Quand on prend dans le contexte de notre pays, où mhm. ou en tout cas le système médical, en tout cas n'offre pas, malheureusement, tout ce dont on a besoin. Mhm. Et donc, les communautés ont tendance aussi à faire recours à ces produits dit traditionnel. Mhm. Donc, pour cela, nous, au niveau de la plateforme des ICI, euh, nous avons fait recours à l'Association nationale des tradis praticiens mhm. pour que cette association-là puisse être membre de la plateforme des ICI. Et qu'avec eux, mhm. nous sommes en train de travailler. Parce que eux, comme il l'a dit, euh, vraiment au niveau des centres médicaux, il y a des centres de santé qui collaborent avec ces tradis praticiens mm. Et les tradis praticiens, effectivement, ils utilisent généralement mm-hmm. euh, les pharmacopées traditionnelles, comme on l'a dit. Mm-hmm. Et comme il l'a dit, il y a effectivement certains produits qui sont reconnus et qui sont certifiés. Mm-hmm. Mais qu'à cela ne tienne, nous, en tout cas, les conseils qu'on donne au niveau de la communauté, c'est de vraiment faire recours à un spécialiste de la santé pour vraiment la survie de nos enfants. Parce que généralement, ce genre de traitements parfois, on pense que c'est le traitement idéal. Et malheureusement, on s'en tient à ça et la maladie s'aggrave. Mhm. Et généralement, c'est en ce moment-là que les mamans ou en tout cas nos parents font recours maintenant au centre de santé mhm. alors que déjà le mal a été fait. Mhm. Donc nous vraiment, pour éviter eh, ce genre de situation, nous recommandons à chaque fois, en tout cas à ces moments, de faire recours systématique au centre de santé une fois qu'elles constatent des signes de ces maladies eh, au, niveau de leurs enfants. Merci. Voilà. Quels risques peuvent encourir ceux qui font recours à la pharmacie ambulante La pharmacie ambulante, là aussi, c'est une autre réalité dans, en tout cas dans notre pays, ou je peux le dire dans nos pays en voie de développement. Mhm. Parce que eh, la présence en des maladies, c'est à différentes étapes. Mhm. C'est d'abord, on va faire les recours traditionnels, les membres de la famille, si ça échoue, maintenant, on va au stade de la pharmacie ambulante. Mhm. Parce que là-bas, c'est moins cher. Ou c'est facile d'accès, c'est à côté. C'est quand ça échoue, maintenant, on va faire recours mhm. et au niveau des centres de santé. Maintenant, le risque par rapport à ces produits ambulants. D'abord, ces produits-là, personne ne peut certifier dire que c'est efficace. Parce que on ne peut pas savoir pratiquement les conditions de conservation de ces maladies. Et la plupart des, produits pharmaceutiques, en tout cas, ils sont inactivés par la chaleur ou par les rayons du mm. soleil. Et que les, nos pharmacies ambulantes, c'est dans les rues, on traîne avec ça. Mm-hmm. Et aussi, un autre danger, c'est la posologie, le dosage mm. de ce produit-là. Même si le principe actif n'est pas détruit, mm-hmm. en tout cas, Connaître la posologie de chaque médicament, ça aussi c'est un autre point d'interrogation. Mhm. Généralement, on vient, on amène les enfants avec des cas d'intoxication parce qu'ils ont consommé des produits au-delà mhm. de ce qu'il leur faut. Mhm. Ça aussi, c'est une autre situation à gérer, en tout cas en plus de sa maladie. Donc, euh, le conseil à ce niveau, en tout cas, c'est de consulter et de respecter les ordonnances prescrites. Mhm. Maman Bachir, comment protéger l'enfant contre ces différents types de maladies La protection, c'est. Je vais parler de cette protection à quatre niveaux. Mhm. D'abord, le premier, niveau pour protéger son enfant. Mhm. En tout cas, comme le disaient <laughs> nos grands-mères, quand il fait froid, il faut bien se vêtir et envelopper les enfants. Ça, c'est un vieux adage. Donc l'habillement, ça c'est le premier moyen de protection mhm. pour les enfants. En tout cas, il faut bien habiller son enfant, surtout les nourrissons. Mhm. Parce que l'enfant, lui, il ne va pas dire il a froid ou bien il a mal ici ou là-bas. Mhm. Donc euh, le premier moyen c'est de bien habiller son enfant. Maintenant, le deuxième moyen, c'est l'hygiène aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. L'hygiène corporelle. Ça aussi, c'est un moyen de protection. Et le troisième aspect que je vais parler, c'est la nutrition. Il faut surtout les enfants de 0 à 5 ans. En tout cas, il faut leur apporter les, aliments nécessaires à une bonne nutrition. Parce que une bonne nutrition, en tout cas, protège aussi nos poumons et au-delà notre organisme parce que ça renforce le système immunitaire. Un enfant bien nourri et un enfant qui est mal nourri, ce n'est pas la même chose face quand leur organisme est exposé mhm. à un danger de maladie. Mhm. Maintenant, et le quatrième point que j'ai parlé, c'est surtout les consultations médicales mhm. pour les enfants. D'abord, les consultations nourrissons sains comme on <laughs> l'appelait dans le temps. Et ensuite, les consultations quand l'enfant est malade, dès les premiers symptômes. C'est le conseil que je vais donner. Hamza Jibo est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire euh, Maman Bachir euh, sur la protection euh, des enfants contre oui, le Oui, Je pense que Maman Bachir a, en tout cas ramassé tout. Mhm. Peut-être le seul aspect qu'il n'a pas abordé, c'est l'aspect communicationnel. Mhm. Donc il faut vraiment renforcer les dispositifs de communication mhm. intercommunautaire, intercommunautaires, les dispositifs de communication à travers les radios, les dispositifs de communication à travers les médias et tout autre canal euh, dont nous disposons pour mhm. que vraiment ces mamans et titres d'enfants mhm. puissent être suffisamment sensibilisés pour vraiment protéger les enfants contre euh, ces maux, en mhm. tout cas liés à la période euh, de fraîcheur. Voilà ce que je peux ajouter. Merci nous sommes donc euh, au terme euh, de ce forum euh, sur les maladies liées au froid et les moyens hein, de prévention. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités par rapport à ce sujet. Nos invités donc qui demandent donc aux parents de protéger leurs enfants contre ce froid. Ils l'ont dit donc à travers ce forum comment donc ils doivent protéger leurs enfants pour euh, éviter donc ces maladies liées au froid. Nous étions donc en compagnie de Maman Bachir Ali, infirmier en formation médicale, et Hamza Ajibo, membre de la plateforme des ICI, démocratie sanitaire et implication citoyenne. Merci donc d'avoir participé à ce forum. Je suis donc euh, Fatih Zakari à la présentation, à la technique Amina Hassan.